Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre du Travail, en charge des relations avec les institutions magnu vos délégations, mes collègues députés, nous également les Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Mes mentions spéciales aux étudiants de l'ENOC. Euh, je voudrais quand même profiter de cette occasion sincèrement pour remercier encore le ministre du Budget qui nous a fait l'honneur d'augmenter l'enveloppe destinée aux étudiants de la diaspora d'un montant de 1,5 milliard. Je pense que lolu bu amé je dis souvent que on s'oppose hein, mais franchement quand il y a des choses qui marchent, nous n'avons pas le complexe de le dire. Donc encore une fois monsieur le ministre du budget, merci. Euh quand on parle d'enseignement supérieur et de recherche, ça me fait penser à ce grand homme qui a déclenché le processus de construction d'un Sénégal émergent, Maître Abdoulaye Wade. C'est avec Maître Abdoulaye Wade qu'on a connu la régionalisation des, universités. Les universités régionales, c'est avec Abdoulaye Wade. La généralisation de la bourse, c'est avec le président Abdoulaye Wade. C'est Abdoulaye Wade qui a porté le budget de l'enseignement supérieur, de l'éducation en général, à hauteur de 40%. Quand nous avons je pense quand même, pour des raisons politiciennes, nous devons éviter les discours. Nous devons faire le bas, je pense que nous devons reconnaître. Et qui peut faire di wax naan Ablaye Wade defu fi lii bu boobaa sénégalais yi ci boppam ñoo lay jugé yaa ngi tuutal sa bopp tout le monde wi nga bokk leneen li ci des Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur j'avais évoqué des problèmes problème nous ñu évoqué problème les bourse yi da monsieur le ministre du budget pour nga yokkaat rek franchement li nga def rafet na ñu avons koy des mais nous bëgg ñu parce que étudiants yi sont en à l'étranger nous avons des problèmes. parce que si vous dem à l'extérieur si a avez des ay moyens mais je pense que vous demee fiasco lay on a fait des, recensements. Pratiquement 20% des étudiants qui ont quitté ici, à l'extérieur, au bout de 6 mois, ils abandonnent. Parce que, si on a fo loger, amo logé, lek, on nan, gis na la moi je pense que la solution malheureusement, c'est de quitter les études pour aller chercher de, de, l'argent. C'est je pense qu'avec l'appui de l'État, on nañ ko éviter. je l'avais évoqué, c'est-à-dire le changement d'établissement. Il y a beaucoup d'étudiants qui changent d'établissement au bout de la deuxième année. Mais vous nous changez d'établissement, alors que c'est des étudiants boursiers hein, de l'État qui viennent avec une bourse d'excellence, mais une fois qu'ils changent d'établissement, et ça, franchement, monsieur le ministre, je pense que c'est la deuxième année successive que makoï suis relevé, mais franchement, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas eu de réaction, ni de votre part, ni de, de vos collaborateurs. Et cela pose problème, parce que c'est des étudiants qui ont bénéficié de la bourse d'excellence, c'est-à-dire la bourse de l'État. Ils changent d'école. Mais une fois qu'il change d'école, ce n'est même pas le ministre ou la, direction des bourses qui décide, mais c'est le, le secrétaire général en tout cas qui, gère les bourses, Émile Baroum, je ne sais plus la direction, qui décide de suspendre la bourse. En, suspendant la bourse, mais l'étudiant est dans des difficultés financières. Donc je leur avais dit, au lieu de suspendre la bourse, demandons l'arbitrage de, ceux qui sont chargés de la formation dans ces nouvelles écoles-là. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Et malheureusement encore, ces étudiants, effectivement, à qui on a suspendu la, bourse, vont verser dans la précarité et la conséquence, franchement, c'est l'abandon. Maintenant, je vais parler un peu de recherche. Parce que les pays les plus puissants dans le monde sont ceux qui investissent dans la recherche et l'innovation. Euh, au niveau de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, sur 250 000 dossiers euh, déposés, l'Afrique n'en compte pratiquement que 4. Généralement, je pense que les, les, 4 dernières années, le Sénégal n'a déposé que 4 demandes. De, 4 demandes. 4, c'est la catastrophe. Et je pense effectivement, un pays qui se veut émergent quand même doit investir et dans la recherche et dans l'innovation. Mais malheureusement, je pense que l'argent pose problème. Monsieur le ministre du Budget, moi je suis un féru, franchement, de la recherche et de l'innovation. C'est la raison pour laquelle je vais aller même au-delà de voter ce budget. Parce que voter un budget, c'est un acte politique. Mais demander à ce qu'on augmente le budget pour la recherche, je pense que c'est une adhésion. Euh, les universités. Voilà mon étudiants. Et les étudiants, moi je pense qu'effectivement, ils m'ont demandé de leur trouver un guichet unique, ou en tout cas un guichet spécialement réservé aux étudiants. Parce que pour avoir un passeport, et ça je pense que vous devez le faire avec le ministre chargé des Affaires étrangères, les, les étudiants sénégalais peinent à avoir un passeport. Et s'ils n'ont pas de passeport, ils sont dans une situation irrégulière. Et depuis deux ans, si vous êtes dans une situation irrégulière maintenant, vous ne pouvez plus vous inscrire à l'université. Et cela pose problème. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même une collaboration entre le ministre des Affaires étrangères et euh, votre ministère pour qu'on puisse trouver dans nos consulats à défaut en tout cas de trouver des, guichets, de trouver des créneaux qui permettent à ces, étudiants-là, une fois que leur titre de séjour arrive à échéance, qu'ils puissent effectivement renouveler dans les préfectures en trouvant le passeport dans les plus brefs délais. La fermeture de l'ICAD. Monsieur le ministre, j'ai eu des informations selon laquelle ou selon lesquelles il y a eu un défilé de mode à l'université euh, euh Diop. Je ne comprends pas comment une université qui est fermée, parce qu'effectivement il y a des problèmes, puissent permettre à d'autres qui ne sont pas franchement du milieu de la, de la recherche ou de l'éducation à organiser ces, ces, défilés de mode-là. Si franchement tel est le cas, je pense que vous devez prendre des, mesures pour remédier à ça. Je vous remercie. Merci.